forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la recrudescence du phénomène d'insécurité dans la région de Tilaberi, avec euh, notamment l'attaque du CSI de Gambala et celle d'un véhicule de transport à Anzourou. Le soutien apporté par le collectif d'associations de la société civile aux trois responsables d'Actis Niger, déféré le week-end dernier à la prison civile de Kolo, suite à la manifestation anti-projet de loi 2018. Alhaji euh, Mahaman Salih du Modern Falumana, placé mardi sous mandat de dépôt à la prison civile de Maradi. Incendie lundi qui a ravagé une partie du marché canet de Niamey et enfin du sport avec la crise qui divise les responsables de la Fédération nigérienne de lutte à moins de deux mois de la 39e édition du championnat du sabre national et le retrait hier de la délégation de pouvoir à la lutte par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec nous ce soir pour développer ces thèmes. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Ousseini Issa, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste au groupe de presse Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Marca. Et notre troisième invité est Abba Chari Arimi de la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Samedi dernier, le centre de santé intégré de Djambala, situé à une vingtaine de kilomètres de Tilaberi, a été la cible d'un groupe de cinq bandits armés non identifiés. L'attaque a perpétrée peu avant 23 heures s'est soldée par le vol de deux motos et de deux téléphones portables. Dans, dans leur fuite, les bandits ont abandonné l'une des deux motos tombées en panne de carburant il n'y a, il n'y a eu ni blessé ni mort. Karimou Ongela est le chef CSI. Il raconte les faits, les joints au téléphone par Adama Adawachi. Ils ont en premier lieu croisé ce stagiaire-là. Ils l'ont pris. Entre-temps, moi, je suis allé déjà mettre la moto dans la chambre. J'ai fermé et j'ai sorti. La clé, même, je l'ai mis dans une autre chambre. Ça a vu mon bureau, quoi. On s'était croisé avec eux. Ils m'ont dit, tu t'arrêtes là où tu es. Et alors, ils sont venus à quatre m'encercler. Les trois ont des armes et l'autre a une chicote. Ils m'ont dit la moto. J'ai dit quelle moto ils ont la DT. J'ai dit non, on n'a pas de DT. Ils ont dit non, tout à l'heure là, ils voyaient une DT là ici. J'ai dit non, il n'y a pas de DT. Ils ont dit non, et a DT de tout ça. J'ai dit c'est pour quelqu'un, il a prié, il est parti. Après, ils m'ont dit bon, de donner les clés de l'ambulance. J'ai dit non, je ne détiens pas les clés de l'ambulance. Ils ont dit c'est avec avec l'ambulancier, bien naturellement. Ils m'ont dit bon, de les accompagner pour aller chercher l'ambulancier. Entre temps, il y a deux hommes qui sont rentrés chez moi. Il y a un qui a braqué l'arme sur madame pour lui dire de ne pas crier. Et il y a l'autre qui est rentré dans la maison pour prendre deux portables et deux sacs de Ils sont habillés en turbanisé, des tenues noires en turbanisé. Après l'attaque du Gambala samedi, un véhicule de transport a été attaqué mardi soir dans la commune d'Anzuru, région de Tilaberi, par des individus non identifiés. L'on déplore deux blessés qui ont été transportés vers la case de, santé de Gabado pour des soins. Selon une source locale, de la même soirée, la gendarmerie a été déployée dans la zone. Hussein Issa, journaliste indépendant, euh, votre commentaire par rapport à la recrudescence du phénomène d'insécurité dans la région de Tilaberi oh, Ce n'est pas une recrudescence, excusez-moi de le dire, qui date d'aujourd'hui. <laughs> on est confronté à ça. Maintenant, quand des individus viennent à moto, à moto, hein, parce que c'est des zones qui sont quand même en état d'urgence. Et ils arrivent à perpétrer des actes de cette nature et qui parviennent à s'échapper, moi je dis, il y a un problème. Il faut qu'on essaye de revoir la copie par rapport à la question sécuritaire non seulement dans cette bande, mais dans la bande euh, extrême euh, sud du pays. Revoir la copie comment La copie, tout simplement, en se posant la question, est-ce que ce qu'on est en train de mettre en œuvre là, est-ce que ça donne des résultats probants Si ça ne donne pas des résultats probants, on change, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut euh, changer dans le dispositif tel qu'il est mis en place pour que ça puisse donner des résultats. Mais on est là à assister où des individus viennent attaquer des CSI. Parce que apparemment, ça, c'est des brigandages. C'est une affaire de brigandage, c'est pas autre chose. On a, c'est des gens qui viennent du Mali. Dans l'extrême euh, sud, euh, de l'autre côté vers Difa, c'est les Boko Haram qui viennent, ils rentrent, ils attaquent. Ici, c'est, on sait, on est confronté à ça depuis pratiquement des mois. Donc, selon vous, ça derrière chaque village, il faut placer un porteur de tenue Non, il n'y a pas de placer un porteur de tenue. Moi, je n'ai jamais dit on ne peut pas placer derrière chaque village un porteur de tenue. Ils ne sont pas plus nombreux que les populations. Il faut travailler avec les populations, il faut les fidéliser, il faut avoir confiance en eux, il faut créer les conditions pour que ces populations-là, aient confiance et qu'ils puissent collaborer pour permettre à ce que ce genre de choses ne surviennent pas. Mais tant qu'il n'y a pas de confiance entre les populations et les, les, les tenues, il y aura toujours ce genre de problème. On est dans ce système-là, on est dans cette situation. Malheureusement, mais j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas pris la leçon, les gens n'ont pas tiré la leçon. On peut penser qu'on va, on ne peut pas mettre, ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre derrière chaque village, on ne peut pas mettre des, bataillons pour dire vous allez sécuriser. celle-là. Ce n'est pas possible. Avec quel moyen, avec quelle arme, avec quel homme? Tout le problème est là. Mais il faut sécuriser, il faut créer les conditions pour que les populations soient La zone est sous état d'urgence. Oui, justement, mais comment en état d'urgence des populations vont venir à, à moto où on dit dans des zones où on dit on, la moto interdite la moto interdite la voiture même interdite à, une certaine heure à une certaine heure comment on va dire non des gens sont venus en moto ils ont fait euh, des, des, casses ils ont attaqué un CSI et ils ont pu s'enfuir on a pu récupérer une moto il y a un problème ça, du, du groupe de presse Ténéré, que faut-il comprendre à travers ces attaques à répétition ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la politique sécuritaire mise en œuvre est très défaillante dans la région. Malgré l'état d'urgence, on constate une recrudescence des attaques. Il y a eu Ayoru, il y a eu Tongo Tongo, il y a eu maintenant euh, le CSI de Djambala et des paisibles avant, oui, Oui, tout à fait. Mais quand vous prenez un peu, vous faites les statistiques. Euh, avec l'état d'urgence dans le nord Tilabéry et l'état d'urgence au niveau de la région du lac Tchad. Vous allez constater, malgré, c'est vrai que l'état d'urgence handicape beaucoup le développement socio-économique de la zone. Quand il y a l'état d'urgence, ça c'est évident. Mais malgré tout, il faudrait voir que au niveau du, basin bassin du lac Tchad, quand même, il y a eu une, réduction des attaques répétées de la secte Boko Haram. Est-ce que cela n'est pas dû à la montée des, eaux de la Comadougou Non, écoutez, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très pertinent dans un, climat d'insécurité. Vous ne mettez pas la population en contribution, vous allez pertinemment échouer. C'est ce qui se passe au niveau. La région, le nord Tilabéry, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, au-delà de l'aspect sécuritaire, mais c'est une catastrophe humanitaire qui se passe dans la région parce que toutes les organisations ont quitté on a tellement mis de la pression qu'aujourd'hui, personne ne veut aller travailler. Et les populations même, on sent que parfois que les populations même ne se sentent pas en confiance avec les forces de défense et de sécurité. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut les mettre en confiance. Parce que quand vous faisiez leur perception, il faut, faire le déplacement. Quand vous, allez trouver des campements, vous leur demandez leur perception de l'insécurité, ils vont vous pointer du doigt les forces de défense et de sécurité. Mais c'est cela qu'il faut, faut attaquer ce problème à la racine. Parce qu'on ne peut pas comprendre, dans une zone où il y a l'état d'urgence, que des gens se permettent de se déplacer librement à des heures où il est interdit de circuler sur des engins mais quand même, il y a quelque part une complicité. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait aller par la force amener les gens à collaborer. Non, il faut les mettre en confiance. Il faut leur dire que la sécurité des personnes et de leurs biens commence par eux-mêmes. Si eux-mêmes, ils perçoivent que l'utilité de la sécurité, c'est en ce temps-là qu'ils seront vraiment les, euh, comment on appelle, le relais des informations avec les FDS parce qu'ils vont relayer l'information. Tant qu'ils vont détecter des comportements suspects, ils seront obligés euh, de les, informer. Mais quand même, il faudrait voir que le Nord Tilaberi quand vous prenez le, ce, ce, semestre, ce dernier semestre, ce deuxième semestre de l'année, il y avait eu plus de morts que dans toutes les régions qui connaissent euh, cette situation sécuritaire. Il y a eu plus de morts. Et on ne comprend pas que malgré qu'on vient de mettre une force et on dit qu'il y a Barkhane qui est là, qui peuvent intervenir, on ne comprend pas. C'est ça. Comment comprendre dans un État où le budget de la défense, depuis quelques années, ne fait que gonfler et on nous dit que jusqu'à le problème n'est pas résolu. Et surtout, c'est que écœurant, chaque fois, on nous dit des bandits armée non identifiée. Et il faudrait contrôler aussi la circulation des armes. Aujourd'hui, si des gens, des badauds peuvent se permettre de se procurer des armes et attaquer un ceci, alors moi je suis sûr qu'il faut vous attendre qu'un marché hebdomadaire puisse être attaqué dans les prochains jours. Il faut que aujourd'hui les autorités se ressaisissent par rapport à leur manière de mettre en œuvre euh, leur politique sécuritaire dans la région. Abachari Arimi de la radio alternative, la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tilaberi que faire pour rectifier le tir Écoutez, euh, d'abord, hein, par rapport à ce qu'il disait, Amarchia a été déjà attaqué. N'est-ce pas La population a été dépouillée pratiquement en pleine journée. bon, on nous a dit que les malfrats ont été rattrapés et neutralisés. Mais n'empêche, c'est déjà fait et le traumatisme est là au sein de la population. Mais aussi l'autre problème, quand il y a une insécurité la vraie insécurité, c'est ceux qui viennent euh, attaquer euh, des camps euh, militaires, n'est-ce pas, et qui s'en vont. Et quand cette insécurité existe, ça constitue le lit pour le banditisme. Et je suppose que c'est vraiment des bandits qui viennent prendre une moto, des portables, euh, ceux qui attaquent les camps, ils n'ont pas besoin de, portables, Sauf s'ils ont pour ambition tout simplement d'inquiéter aussi les fonctionnaires de l'État qui sont euh, dans la zone. Que faire C'est malheureusement l'exercice difficile de la paix. malheureusement, ça passe aussi par euh, la force. La force comment la, Nos forces armées. Nos forces armées, qu'il faut armer davantage, mais la population qu'il faut amener à adhérer à la cause. Parce que quand l'insécurité va grossir, c'est d'abord elle qui perd. Il faut la convaincre, il ne faut pas la vaincre. Euh, nous avons dit la fois dernière ici même que la population civile ne doit pas être concernée par les affrontements. Et a priori, on doit les considérer comme les victimes, pas comme des complices, pas comme euh, des complices du camp adverse. Parce qu'eux aussi, ils vont le faire. Et dans ce cas, c'est la méfiance. Or, on sait que ceux qui attaquent, n'est-ce pas, sont quelque part dans la nature. Ils ont à tout moment le moyen de venir inquiéter la population. Quand ils n'ont pas confiance donc à la force euh, nationale et qu'ils ne sont pas protégés, ils ne vont jamais collaborer. Et surtout, c'est comme Adifa. C'est le fils de ton voisin, c'est le fils de ton cousin, c'est ton propre fils. Déjà, ils sont dans un état d'esprit très difficile. On a beau dire que non, il faut les dénoncer, ils sont devenus des hors-la-loi, ils sont devenus des bandits. en, France, récemment, une mère a été condamnée parce qu'elle a envoyé de l'argent à son fils qui était sur le front en Syrie. Donc, ce n'est pas évident d'imposer à un parent déjà de dénoncer les siens. En plus, s'il est traumatisé, s'il sait qu'on le considère comme un complice, c'est vraiment le mutisme total. On va beau tuer des gens, on va beau les inquiéter, les interpeller, les, les emprisonner. À mon avis, ça ne fera qu'aggraver la situation. Abbas Abdelaziz et deux de ses collègues, tous membres d'Actis Niger, sont placés depuis vendredi dernier sous mandat de dépôt à la prison civile de Colo. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite complicité d'attroupements armés et vol suite au meeting que leur structure a organisé le dimanche 29 octobre 2017. Selon leur avocat, la responsabilité civile et pénale de ces clients ne peut être engagée puisqu'ils n'ont pas opposé ces actes de vandalisme. 48 heures après, un collectif d'associations de la société civile, à travers un point de presse, a apporté dimanche son soutien à Abbas Abdelaziz, président de l'association Actis Niger, dissoute par le ministre de l'Intérieur, ainsi que deux autres membres de cette association déférés à la prison civile, à la prison civile de Kolo suite à la manifestation anti-projet de loi 2018. À ce sujet, je vous propose de suivre un des membres de ce collectif, Ali Idrissa, au micro de Michel Deji. Quelle a été notre surprise de voir que, effectivement, tout ce qu'il a prédit se sont passés. Il a eu à dissoudre l'organisation et les a fait arrêter. Il a même prédit que ses camarades subiront les mêmes conséquence que ceux qui étaient dans les affaires Charlie. Vous voyez bien l'amalgame. Nous, nous resterons dans la loi contre certaines mesures de la loi des finances, notamment que l'État ne puisse rien proposer aux citoyens comme amélioration de leurs conditions de vie pendant que l'État veut augmenter des charges et des impôts. Nous ne pouvions plus, en tant que citoyens, continuer à payer, à engraisser une classe politique, à ne rien faire. Ce pléthore de gouvernements, de députés, de conseillers, de chargés de mission, nous disons non à pouvoir continuer à subir les inconséquences de cette classe politique. Et attendons le jugement la semaine prochaine. Abakari Arimi de la radio alternative. Vous venez là d'écouter Alidrissa et vous avez suivi cette euh, péripétie. quel commentaire cette affaire euh, suscite en vous Écoutez, euh, c'est inquiétant pour toutes les associations. je me dis que dans l'exercice de leurs droits constitutionnels, n'est-ce pas, qui est euh, notamment celle de manifester. Aujourd'hui, les associations sont mises à mal euh, parce que tout simplement, euh, une association a déposé une demande, n'est-ce pas, qui a été partiellement accordée. la manifestation a dégénéré. À mon avis, ça devait faire l'objet d'une enquête minutieuse. Aujourd'hui, il y a moyen de savoir qui a fait quoi. Et euh, selon ce que j'ai appris de ce qui s'est passé euh, ce jour-là, la police était sur le terrain, il y avait beaucoup euh, d'affrontements. Et donc, naturellement, il y a eu aussi des arrestations sur le terrain. Ces camarades qui sont aujourd'hui en prison, eux n'ont pas été pris en flagrant délit de quoi que ce soit. N'est-ce pas euh, si euh, juste vous demandez une manifestation, vous, et puis la manifestation a lieu, et puis il y a un euh, débordement, automatiquement vous êtes responsable de tout ce qui est posé comme acte, mais, ou complice même, c'est extrêmement grave. Parce que les infiltrations, on sait que ça existe. on sait c'est aussi une stratégie mais c'est une stratégie. Euh, là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, quand une dictature est en marche, c'est des choses que, de par le passé, ça a existé. Donc, il fallait une enquête minutieuse qui prouve qu'ils ont été réellement complices. Dans tous les cas, ils sont euh, des Nigériens, ils sont au Niger, ils ne vont pas fuir pour ça, mais comme l'a dit euh, Ali Drissa, on dirait que les actes sont malheureusement prémédités. La planifié à l'avance Oui, planifié à l'avance. La dissolution euh, de l'association, elle est carrément précipitée à mon, mon avis. Parce que il y a une loi sur les associations, n'est-ce pas Pour les dissoudre, il y a un processus suivre, mais dès lors que l'association a provoqué une activité et qui a dégénéré, l'association est dissoute, mais euh, on risque d'être dans une situation où tel nombre d'associations correspondra au nombre de, de, manifestations correspondra au nombre d'associations dissoutes. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Je crois que nous devons savoir euh, au Niger, compte tenu de tout ce que euh, nous traversons, raison, garder et avoir la lucidité nécessaire vraiment d'apprécier les manifestations, les, événements à leur juste valeur. Issa Madougou du groupe de presse Ténéré. Dernière nouvelle, nous aurions appris la saisie des biens d'Abbas Abdelaziz avant même le procès censé se tenir aujourd'hui au tribunal de grande instance hors classe du Niamey, puis reporté au 17 novembre prochain. Quel commentaire ben, Écoutez, moi je pense que euh, c'est qu'Abbas, Abbas, son secrétaire général, lui-même en tant que président d'Ortis Niger, son secrétaire général, son secrétaire sont en train de subir, n'est qu'un acharnement d'un gouvernement aujourd'hui qui s'en fout. mais pourquoi le gouvernement, euh, pour quel motif le gouvernement va s'acharner contre mais, mais écoutez, euh, comment un ministre euh, d'État Abbas non, écoutez, comment un ministre d'État de ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Aussitôt que la manifestation a été, le même jour était sorti, tout ce qu'il a eu à dire dans son point de presse, il l'a exécuté. La dissolution, l'arrestation. On a dit manifestation interdite. Moi, le jour où, personnellement, le jour où euh, la manifestation s'est déroulée, moi j'étais sur les lieux. Et j'ai vu comment les gens n'étaient pas d'accord avec la foule qui voulait coûte que coûte marcher. C'est parce que c'est Abbas qui avait cherché l'autorisation. Au départ, l'itinéraire qu'ils ont demandé a été refusé par la ville de Niamey. Ils ont envoyé une deuxième lettre qui n'a pas eu de réponse pour dire que non, ils vont garder. Maintenant, compte tenu de la situation, ils ont préféré ne pas faire cette marche. Mais maintenant, plutôt un meeting à la place Toumo. Et c'était au, meeting que ça a dégénéré parce que les, les gens qui étaient sortis voulaient coûte que coûte aller devant l'Assemblée, démontrer leur mécontentement face à ce projet de loi pour dire à ces députés que c'est eux qui les ont élus et ils doivent défendre leurs intérêts. En fait, ça s'est dégénéré. Les gens sont partis comme ça il y a des gens, euh, il y a des membres des, acteurs de la société civile qui étaient présents, qui ont failli même être molestés par des manifestants. Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On dit que non, c'est une manifestation interdite, complicité de vol, mais est-ce qu'il y a une enquête minutieuse qui a été euh, L'infiltration dont les gens passent, mais l'infiltration, ça se fait dans plusieurs pays. Combien de manifestations, l'État même, qui, parce qu'il qui n'est pas soucié du respect et de, de la garantie des droits euh, humains, faire des infiltrations pour faire dégénérer. est-ce qu'on est actuellement à la, phase de saisine euh, des biens euh, Mais c'est ce qu'aujourd'hui on vient de nous dire. Moi, j'ai appris ça ce matin quand j'étais au procès pour passer à la première comparution. Et c'est là-bas que j'ai eu écho de cette information. Mais, mais je, je pense que avec des perquisitions, il faut noter cela. Mais je pense que ça, c'est vraiment c'est une préméditation. On ne peut pas faire euh, promouvoir vraiment ce genre de comportement indécent dans un État de droit. Un État qui est souverainement souscrit au respect du droit international, je pense que nous sommes en train de tirer l'honneur du Niger très bas. Il ne faut pas que le Niger soit perçu comme les autres pays qui ne se soucient même pas du droit à la vie à plus forte raison des autres droits. Je pense que cette situation, c'est-à-dire, c'est une alerte qu'ils ont donnée euh, vers la fin des associations de la société civile. On dissout comme ça, sans parce qu'il y a la procédure. Euh, Arimi l'a dit, il y a une procédure, il y a des lois qui régissent les, les, associations. Donc, pour dissoudre une association, il faudrait suivre la procédure. C'est comme si aujourd'hui, demain, une autre fait un appel à une manifestation, on va le dissoudre. Est-ce que ce n'est pas pour intimider <laughs> les, acteurs De qui... toutes les façons, ici, on comprend aujourd'hui aisément à quoi ce régime veut amener et les gens. Et mais c'est ça qu'aujourd'hui, les Nigériens soucieux aujourd'hui de la quiétude sociale ne vont pas aller dans ce sens. Parce que les gens veulent, par respect aux valeurs démocratiques, manifester leur mécontentement. Mais, ils ont été autorisés, non mais, oui, le, meeting n'a pas été interdit. c'est ça l'incompréhension. On dit que c'est une manifestation interdite. Mais ce n'est pas une manifestation interdite. La marche, l'itinéraire, c'est l'itinéraire euh, qui Non, la marche n'a pas été interdite. Hein. C'est l'itinéraire qui a été changé. Ils ont dit non. Au lieu de marcher sur la place de la concertation, vous marchez à partir du terrain rond pour terrain musulman à la place, Donc, jusque-là, nous, nous n'avons pas vu aujourd'hui une lettre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui dit que, qui a notifié à, actrices Niger que la marche a été interdite. Ousenissa, journaliste indépendant. Pendant ce temps, un autre acteur qui a maille à partir avec la justice, euh, c'est Mohamed Salih Soudi Léger, arrêté le 30 octobre dernier à Maradi, puis transféré à Niamey avant d'être placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Maradi. Selon vous, qu'est-ce qui est reproché à cet acteur politique, membre du bureau politique national du Modène FA Lumana Oh, mais <clears throat> je ne sais pas ce qu'il est reproché, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation à Maradi ce jour-là. En tout cas, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu une manifestation le 29 octobre à Maradi. Selon certaines informations. Il a fait, je crois, il a participé à un débat. Voilà, voilà. Un débat où il a, débat médiatique où il a dit ses opinions, il a exprimé ses opinions. Et c'est ça qu'il a valu ça et qu'on l'a fait venir à Niamey. Je ne connais pas exactement, c'est comme ça, j'ai entendu comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens se comprennent dans ce pays. Le droit de manifestation est consacré dans la Constitution. Ce n'est pas les gens qui l'ont inventé, c'est la Constitution et c'est des citoyens qui se sont mis ensemble pour dire que voilà, on va utiliser telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, je suis d'accord avec Issa, ce qu'il vient de dire, mais la loi, fait, il y, a la loi, il y a certaines euh, dispositions qui sont, encadrées, disposition, euh, qui sont encadrées par la loi. quelles dispositions qui sont encadrées par la loi De la loi qu'on peut utiliser voilà. ces textes. Mais est-ce que, parce, est que, est que parce que il y a, il y a, il y a, y a le, la Constitution a, interdit ça, la Constitution que, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Vous savez, moi j'ai dit une chose et je l'ai toujours dit et je l'ai de tout temps dit et je vais me maintenir à ça, c'est que la liberté de manifester là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont usé de ça pendant des années et des années. Eux-mêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils en ont abusé. Ils ont usé, ils en ont abusé. Il faut aussi respecter la loi. Non, mais en respectant la loi, bien entendu. En respectant, en demandant une autorisation. Aujourd'hui, c'est devenu systématique. Aujourd'hui, ces gens qui sont en train d'être inquiétés parce qu'ils ont décidé de manifester, parce que tout à l'heure, ils ont parlé d'infiltration. Mais moi, ah, je n'exclus pas cette hypothèse-là. Probablement que la manifestation a été infiltrée. Jusque-là, aucune preuve n'a été démontrée. Non, mais aucune preuve. Est-ce qu'ils ont démontré, eux, des preuves est-ce que, est-ce ils ont apporté des preuves que, effectivement, les gens, on a donné des instructions pour que les gens aillent casser. Parce que les organisateurs, à mon sens et à ma connaissance, ils ont tout fait pour maintenir les gens, contenir les gens dans là où la messe devait se tenir. C'est des gens qui ont décidé, qui ont fait même la violence contre les organisateurs. Et qui ont décidé de marcher. Mais ces gens sont sortis d'où Revenons au cas de Salih Salis Oui, d'accord. Oui, son cas. Son cas, il fallait tout simplement faire un lien. Il y a une manifestation qui est là des acteurs de la société civile. Il faut montrer que c'est l'opposition qui est derrière. Voilà le problème. Il faut montrer que c'est l'opposition et l'opposition, c'est quoi l'Oumana c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, hein. Il ne faut pas aller chercher loin. Mais ce n'est pas tous, les, militants de, de Luanda qui sont arrêtés. Non, les ne sont. Non, je suis en train de le dire. Il faut me suivre. Il faut coûte que coûte, parce que c'est un parti qui a été dehors. Moi, je dis, c'est très simple. Il faut dissoudre ce parti-là. Au moins, il faut le, le dissoudre. Comme ça, les gens vont être tranquilles. Mais systématiquement, on va aller chercher quelqu'un qui n'a pas marché. On l'amène à Niamey. On fait une procédure. Et on le ramène, on dit, c'est Maradi qui va gérer son cas. Mais attends, s'il y a un minimum de bon sens, est-ce qu'on a besoin de le faire venir à Niamey Parce qu'il faut le faire venir à Niamey pour montrer publiquement l'opinion que c'est quelqu'un de Lumana, c'est lui qui a posé les actes et qui l'a contribué. Mais il fallait le maintenir là-bas parce qu'il y a des juridictions là-bas oui, euh, euh, Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment ce qui se passe dans ce pays, il faut le déplorer. on pense que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on nous dit Lumana. Mais bon sang, ils nous ont tellement cassé les, oreilles avec euh, l'histoire de Lumana. Ils n'ont qu'à dissoudre, ils ont les moyens. Si c'est IDH, on est dernier, on dit c'est Lumana. Mais nous, bon sang, les Nigériens ne les ont pas élus seulement pour faire la guerre à Lumana. C'est pour travailler pour les Nigériens, faire en sorte que le quotidien du Nigérien s'améliore. Mais nous, on n'a rien à voir avec leur guerre, guerre Nous voulons que la renaissance dont ils prônent, que ça soit une réalité. Ah, si c'est eux qui sont les responsables. moi, je trouve juste tout simplement que le cas de de Léger, c'est une histoire très bizarre. Euh, la veille, on a dit qu'il a été arrêté, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a été amené. Le surlendemain, on apprend qu'il a été amené à Niamey. Puis, on, apprend qu'il a été ramené à Maradi. Aujourd'hui ou hier, on dit qu'il était sous mandat dépôt. Je ne comprends absolument rien et peut-être que le futur nous dira qu'est-ce que c'est, Un incendie s'est déclaré dimanche dernier aux environs de 21h au marché Boncané de Niamey. L'origine de ce sinistre n'est pas encore déterminée selon les délégués des commerçants du, marché. Le fait a ravagé 16 boutiques causant ainsi d'énormes dégâts matériels. Ouseni Issa, journaliste indépendant, les commerçants de ce marché ont en maintes reprises été victimes d'incendies. Comment l'expliquer? moi, je saurais l'expliquer. Malheureusement, je saurais l'expliquer. <laughs> Les incendies dans les marchés, on en a connu. On en a connu un peu partout. Les grands marchés de Niamey n'étaient pas marchés modernes à l'époque. Je connaissais ça. Ça a faire ça a flambé. Et on a décidé de créer un marché moderne. À l'époque, c'était des tôles, c'était des hangars à l'intérieur. Maintenant, le véritable problème qui se pose, c'est les responsables qui, sont chargés de gérer ces les, marchés. Les gérants des marchés. Les des marchés. Les gens veulent faire beaucoup d'argent. On vient, met, on met des baraques, on met des tôles, on met des tentes, on met n'importe quoi. Mais évidemment, quand on fait ce genre de choses, inévitablement, parce qu'on veut rentabiliser, on paye, on veut rentabiliser les espaces, on paye, ça fait que quand les gens rentrent dans le marché, tu ne peux même pas circuler où il faut que tu dises à quelqu'un, parce que les gens, ils étalent jusque dans les couloirs, là où les gens passent. Mais à partir de ce moment, on ne sait pas. Tout le monde, on ne peut pas contrôler tout le monde. Les gens peuvent quitter en laissant peut-être une flamme ou quelque chose comme ça, ou du moins des braises. Ou, un, court-circuit, par exemple. Un court-circuit, parce qu'il y a des branchements anarchiques qui se passent au niveau de ces marchés-là où le voisin est là, il a l'électricité, tu as besoin d'électricité, tu vas lui dire, donne-moi l'électricité, je vais gérer. Mais après, peut-être les installations n'ont pas été bien faites, c'est que ça peut déclencher un jour ou l'autre une catastrophe. En un mot, selon vous, il faut moderniser les marchés Il faut faire des supermarchés, il faut faire des surfaces. Si on peut le faire, mais ce n'est pas évident dans notre pays. Ce n'est pas évident, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là où c'est des niveaux. Où les gens, tu sais, tu veux acheter des habits de sport, tu sais à quel niveau tu dois aller pour trouver les habits de sport, tu veux acheter des chaussures, tu sais à quel niveau, tu sais, tu vas acheter des légumes, tu sais à quel niveau tu vas acheter tes légumes. Abachari Arimi la radio alternative, à travers ce énième incendie euh, dans les marchés de Niamey, quelles peuvent être les conséquences sur l'économie du pays ben, écoutez, ça ne peut être que catastrophique parce qu'on n'a pas un système d'assurance nos commerçants. Euh, euh, pour se moquer souvent d'eux, on considère que c'est des illettrés, que des gens euh, qui ne sont pas modernes du tout, qui ne savent qu'amasser l'argent. Quelque part, malheureusement, c'est vrai. N'est-ce pas Donc, ils ne sont pas assurés. Ça, c'est une des, une des choses. Parfois, certains, même l'argent, les recettes qu'ils ont, ils n'amènent pas à la maison pour que madame ne voit pas, ça reste dans la boutique. En cas d'incendie, c'est tout qui brûle. Donc, c'est catastrophique malheureusement, c'est l'éternel recommencement. Moi, je pense que ça doit euh, amener l'État, euh, les autorités, euh, les responsables des commerçants à réfléchir sur comment. Moi, je ne suis pas de, nature, je, ne suis pas d'accord avec les supermarchés et autres, parce que ça permet à des multinationaux de s'accaparer des marchés alors que ça fait vivre des familles, ça fait vivre vraiment des familles nucléaires comme des familles élargies, on sait comment ça marche. Donc, de créer des marchés adaptés à nos réalités, mais bien sécurisés. Avec du matériel, euh, j'ai vu en Libye comment leur marché est. certainement, on n'a pas atteint ce niveau de développement, mais qu'on trouve le moyen vraiment de sécuriser et d'amener nos commerçants à penser à des choses comme l'assurance. Parce que demain, même pas seulement l'incendie, beaucoup de choses peuvent arriver quand tu es assuré, au moins, même si le remboursement par l'assurance aussi, on connaît dans nos pays. Hein. Voilà quoi. Rapidement, 30 secondes, Issa, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, juste, je voudrais dire que euh, cet incendie encore ramène sur la table le non-respect des consignes de sécurité dans les marchés. Il faudrait vraiment amener les gens à respecter ces consignes-là pour leurs propres intérêts parce que c'est une perte, une grande perte quand il y a des incendies. Mais moi, je pense qu'il faudrait aussi que le gouvernement s'y mette, n'est pas laisser seulement la latitude aux syndicats de, commerçants à se gérer, dans, à, à s'incruster dans la gestion de ces marchés parce qu'on voit chaque fois avec les gérants, c'est tout un problème. Mais il faudrait une synergie d'action pour pouvoir sensibiliser les uns les autres à prendre conscience que les consignes de sécurité, les bouches d'incendie qui sont là sont à entretenir, que les passages soient respectés, qu'il faut que les étalages soient conformes aux normes sécuritaires. Je pense que ensemble nous pouvons faire des miracles. C'est c'est pas du tout compliqué. Hein. Il faudrait seulement juste sensibiliser les gens. Il faut les amener vraiment à comprendre l'intérêt que ce qu'on nous dit de faire là, c'est pour le bien de tous. À présent, crise au sein de la Fédération nigérienne de lutte, à la FENULUT. Après les sorties médiatiques euh, du président de la FENULUT, Aboubakar Sedouganda, et de son secrétaire général qui dirige le comité directeur de la FENULUT, Hier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place un nouveau comité en lieu et place de la fédération pour contribuer à assurer les activités de la FENULUT pour une durée de trois ans. Rachid Abdel Baki est le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est au micro de Soumana Amadou. le ministère de la Jeunesse et des Sports choisit de confier une parcelle de ses pouvoirs à une association constituée en fédération pour exercer un service public. Et lorsque le ministère constate que les objectifs et le cahier de charges remis à cette fédération n'est pas respecté, il est tout à fait normal que le ministère procède donc au retrait de cette délégation de pouvoir et mettre à l'occasion un comité de gestion à lieu et place de la fédération pour continuer à assurer donc euh, ce service public. Depuis la 38e édition du Sabre national tenue à Tawa, une crise est née au, sein du comité exécutif. Aucune activité n'était organisée véritablement au niveau de la lutte et le ministre a estimé que à quelques semaines de la lutte, une telle situation ne pouvait pas être entretenue puisque c'est clair qu'elle allait impacter sur euh, l'organisation de la compétition. Issa vous venez là de suivre le directeur général euh, des sports du ministère de la Jeunesse par rapport à cette euh, crise qui secoue euh, la la Qu'est-ce que faut-il comprendre dans cette affaire Moi, je veux que quand vous dites finulite, il faut encore dire que c'est la Fédération du sport roi des Nigériens. allez-y. C'est ce sport qui regroupe tous les Nigériens, sans distinction, on sent la cohésion sociale, la quiétude sociale, l'amour d'appartenir à une communauté, l'amour d'appartenir à une nation. Quand on parle du championnat national, de sabre national, c'est le Niger à miniature, c'est extraordinaire. Et voyons la situation qu'est en train de vivre ce sport, moi je pense que c'est lamentable. Il faudrait que les gens se revoient leur copie et de faire en sorte que euh, la gestion de ce secteur puisse être vraiment euh, hors norme mais c'est le printemps. Cela ne m'étonne pas. C'est le printemps dans le monde sportif. On a vu euh, printemps, euh, dans, le monde sportif, on a vu la crise qui est en train de couver maintenant au Cossini. Ça, ça vient. C'est le ministère même qui n'est pas responsable. Moi, je pense que ce ministère-là, il faudrait changer tous les cadres. Chaque fois, ils sont derrière leurs intérêts. Moi, je ne suis pas très au parfum de eux. mais à l'allure de l'analyse, ce que j'ai pu constater de leur agissement depuis quelques années, j'ai compris que c'est le même sillage de comploteurs qui sont là. Quand un ministre vient, on vous met dans le siège. On vous amène euh, des, idées tordues et vous, vous décidez. vous, n'êtes pas en train de faire du bien euh, en, en, pensant faire du bien. Vous êtes en train de compromettre quelque chose qui... Il faudrait voir la lutte, ce n'est pas seulement l'aspect sportif. Moi, c'est ce que j'ai dit. S'il faut voir l'aspect culturel, la cohésion sociale des Nigériens autour de ce sport. Mais vous prenez des décisions comme ça, vous donnez à des parcelles de pouvoir à un groupe de, mafiosos juste parce que la lutte s'approche. Non, quand même, soyons sérieux dans ce pays. C'est pour cela, moi, quand le ministre, pour finir, le ministre là, quand je vois chaque année que son budget est en train de dégringoler dans le budget national, je suis content pour ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas leur mettre assez de moyens. savez euh, ça, journaliste indépendant, quelles sont les conséquences euh, de cette crise que traverse euh, la fin lutte? Conséquence. Conséquences par rapport à quoi En termes de rendement Rendement par rapport à quoi C'est des questions qu'il faut se poser. Ça dit, dire la lutte a existé. Je vais prendre, je ne sais plus si c'est Arimi qui m'avait raconté une fois que il y a un lutteur sénégalais qui a demandé à son challenger nigérien combien il gagne quand il va, quand il l'a terrassé, il dit tu gagnes combien Et il a dit, il dit, mais il fallait me le dire. Moi, je vais te donner l'argent, plus que ça. Ok. C'est tellement illustratif de la situation du sport au Niger que moi, je dis quelque part, je me pose la question. Le sport, on était parti dans la bonne lancée. On a les atouts, on a tout. Mais malheureusement, les gens qui vont s'asseoir là-bas, ils font autre chose. Ce n'est pas le sport qu'ils défendent, ils défendent leurs proches. Aujourd'hui, on est dans la situation de finir lutte. J'ai entendu à Boubaganda, il y a deux jours ou trois jours, sur un média là en train de dire que voilà comment les choses se sont passées. On l'a limogé, on l'a mis de côté. Les gens qui ont voulu prendre la lutte, ils ont manœuvré, ils ont gagné quoi ils ont gagné ce qu'ils ont pu gagner. Mais il faut qu'on considère que le sport, c'est d'abord ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont là, qui vont aller sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, sur un terrain de volleyball. C'est eux le sport. C'est pas un individu qui va venir s'asseoir pour vouloir défendre, pour penser qu'il est en train de défendre. Celui qui s'est investi dedans, il est plus préoccupé parce qu'il a décidé de consacrer, sa vie à ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui prévaut aujourd'hui dans ce pays. Malheureusement, et on va dire, ils vont mettre un comité technique pour que les gens bouffent. Parce que la lutte traditionnelle à côté, en décembre, je ne sais plus si c'est en décembre ou en fin de C'est en fin de cette année. Abachari Arimi de la radio alternative, selon vous, est-ce que ce nouveau comité sera à la hauteur des attentes des amateurs et autres fans dispo roi au Niger à quelques semaines de la compétition pour le sabre national Rapidement. Ah oui, euh, pour être rapide, hein, ce matin, quand votre journaliste est allé euh, au, ministère. il m'a trouvé, moi j'avais déjà fini mon interview justement avec le, directeur général. Parce que quand j'ai appris l'information, j'étais vraiment euh, très surpris et je ne comprends pas il m'a donné des explications, mais jusque-là, je reste sur ma faim parce que trois ans, pour un comité de gestion. Nous sommes au Niger où en neuf mois, même après un coup d'État, on a mis en place une nouvelle constitution, faire des élections. Après un an, il nous est arrivé d'organiser des, élections générales et que pour que les militaires déguerpissent. Aujourd'hui, pour un comité de gestion d'une fédération de lutte, on me dit qu'il faut trois ans. C'est trop c'est À mon avis, c'est trop. C'est pour quoi faire Je lui ai posé la question et le DG m'a expliqué qu'il y avait des brebis galeuses qu'il faut extirper du milieu. Je suis de son avis, mais certainement que nos brebis galeuses ne sont pas identiques. Et s'il faut extirper, on sait vraiment de quel côté il faut agir. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Hussein journaliste indépendant, Issa Madougou, journaliste au groupe de presse euh, Ténéré. Nous étions également avec euh, Abba Chari Arimi de la radio alternative. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum à Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Jarma. Merci et au revoir.